Afrique debout, Afrique debout, Afrique de Nelson Mandela debout, Chiro debout, Chiro debout. bu de almu cnc de bu de debout debu de amina de radio azuru Tiro de mon frère de abdraman de kalangu de oh, Debout, nous allons changer les choses en tant que jeunesse, jeunesse africaine. Voilà. Très bien, monsieur Abibou. <laughs> Merci, Alors, bien, monsieur Abibou. C'est très bien. La voilà. prestation est cool, vraiment. Madela, aran kan tous à la fada hunkuna irsi kala irgo day agades gandara gabarbare na kayar gon girkela furta gai irgo ne gani ceci inda irma salanga wafaku irma fakare mo an kanno gati alhalo kara kuna furta gai igo abo aujourd'hui nous sommes à Chirogérina à 110 km d'agadeza Chiro comme euh, on l'appelait communément la ville qui abrite Sonichar, Société nigérienne de charbon, à nous Raren. C'est le charbon qui alimente la ville ici à chirogerine Avec la team de tous à la FADA, nous allons rencontrer les jeunes, parler des situations dans lesquelles ils sont. Alhali fodumrano kirozerin furta jego wene obono irgisala nkuna matno irgite bi irma rabi fadara ngande furta je ifakare sande sande kan yego ngadi nkuna irgice kino bay matno irgite bonza. Quelles sont les solutions Quelles perspectives Comment faire pour que Kiro devienne vraiment Kirozerine, la vraie vraie vraie belle ville Kirozerine que tout le monde attend dans les années à venir. C'est de ça que nous allons parler tout au long de cette émission. Dans cette émission, comme vous le savez tous à la FADA, c'est 35 minutes euh, de papotage euh, de musique, euh, rubrique, chronique. Voilà, en parlant de chronique, applaudissez pour Olivier d'abord. Notre chroniqueur toujours. Merci le vieux. Merci le vieux. Voilà, Oli Choco. Yeah, le vieux. Il faut nous ah aujourd'hui, on va parler de révélation digitale, c'est-à-dire comment est-ce que les gens se sont fait connus très rapidement grâce au digital, grâce à Internet et surtout grâce à Facebook. Maintenant, Boré, Facebook, Internet, voilà. On va parler de ta révélation. Merci, beaucoup ce soir. merci vraiment, Olivier. Donc, euh, on se retrouve à la fin euh, de cette émission. Amis jeunes, nous allons commencer je suis avec Bokari Abdoulaye, conseil euh, communal des jeunes de Chiro, Aminatou Ide, groupement Hadin Kammatasa. macinga furta jemi te bum follo na wala wala amina bande irganda alusaini islaman association timidria ni kani bani Oui. Voilà, lui c'est le président conseil communal Assalamu alaikum. Matingo. Ah, voilà, c'est avec eux que nous euh, allons euh, papoter tout au long euh, de cette émission. Alors, merci d'être avec nous et merci aussi pour l'accueil. Chiro Bore au fond Kokaro, Irko Malbarka Daranga. Et Adino Aramo Kangon Girhangan Darang Baram Medan Irfakarara, Aram Makar, Irwatikulu Lamba, Kangati 80 88 06 54 aran fakare bi aran voilà voilà les députés qui rencontrent vraiment la jeunesse surtout vous avez relevé des cas euh, de délinquance surtout euh, les jeunes surtout les jeunes aussi les plus jeunes si on peut les dire ainsi parce que c'est 15 16 ans euh, c'est pas petit boucan alors euh, rappelle-nous dans quelle situation se trouve aujourd'hui les jeunes qui ne vous plaisent pas quand c'est canard la situation que se trouvent euh, les jeunes euh, actuellement ici à Tiro, vraiment c'est comme vous venez de le dire, c'est la délinquance juvénile. Comme la consommation des stupéfiants, quoi, la consommation des drogues, donc tu vois la prostitution pour les jeunes filles. Il y a beaucoup qui abandonnent leur école pour aller faire la délinquance. Donc tout ça, là, c'est des problèmes qui nous chiffonnent vraiment. Ok. Voilà. Donc. Voilà, et donc on a vu ces problèmes là à si nous allons chercher les solutions aujourd'hui. Alors, euh, mon ami Alouseni quels sont les problèmes, vous, en tant que Timidiria Qui on parle vraiment de lutte pour euh, euh, l'intégrité, la dignité humaine, n'est-ce pas c'est vraiment ça, vous, votre lit Alors aujourd'hui, quels sont les problèmes que vous constatez Quelle est la situation euh, qui est un peu déplorable ici euh, dans le département de Tiro Vraiment, c'est des cas vraiment intolérables. Et c'est quoi le problème Qu'est-ce qui est intolérable Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à Le fait de voir ta sœur de 10 ans porter un bébé ou prendre des trucs... Euh, aïe, C'est déplorable. C'est déplorable. Ouais, ouais, vraiment dans quelle situation vous, vous voyez la jeunesse de Tiro euh, aujourd'hui Comment elle est Bon, c'est comme l'avait dit mes prédécesseurs, la jeunesse de Tiro est, dans une délinquance juvénile extrême. Tout ce qui concerne la jeunesse à Tiro, ça ne va pas. Ce sont nos ah, petits frères, ce, sont nos enfants, si je peux le dire, mais c'est qui ça ne va pas à Chiro, la jeunesse, elle est déboussolée. Ghana, igo ra kan kuna furta gewo ine kan askanin gese dai amina ine wondi yengon kaya kai ne an buimine kan za jirgo ibora ga hampa askanu iga fata lokol igo ngai bo muradu yara kala hana ko ana hanya to matano ni mondi alhali wani wara wallahi ya dunu hankai kin ya dunu mm. Zan kai kaini ni gidi aga hampa irko beri wallahi ifo no go kan wedin aya kan kan da wedin aya sabibin bumbu da na si <laughs> za ya yacin no wonni wo kokor bano de non ci yacin wallahi za watodin yacin no mm za watodin yacin no to ni on diyan waga matano ihimgite kan na hayo ban to ko kan daidai izin yawa de mte si sensibilisation mhm. ni diyan waga shigi bon ay feri no ugwaga bon feri zan kai no sigi sambu o ni o bumbo da kungiye fora no ni gome groupement hadin kan matasa wala o ifo na rawaran gote fondo idara fond de votre sensibilisation Il y a ici sensibilisation goida goida oh ya président aujourd'hui qu'est-ce que vous vous êtes en train de faire en tant que conseil communal euh, de la jeunesse de Tiro pour euh, venir à en voilà, à cette jeunesse voilà, pour aider les jeunes pour que la situation euh, ne soit plus euh, des problèmes. Voilà. Jusque-là, on est en train de faire une campagne de sensibilisation, fada fada, on approche les jeunes. Parce que nous avons compris maintenant, les jeunes, là, vraiment, il ne faut pas les pousser de force à un changement. Il faut les cohabiter, il faut s'asseoir avec eux. On fait de notre mieux pour les sensibiliser. Mhm. Mais maintenant, nous avons besoin de l'État, des autres organisations, nos autorités communaux, par exemple, de nous appuyer, de nous accompagner et financer les conseils communaux de la jeunesse, mm. à multiplier les sensibilisations des jeunes. Ah nous avons la chance. Mais tout ce dont on a besoin, c'est un coup de pouce que les autorités nous écoutent et nous impliquent. Parce que pour avoir des solutions, il faut impliquer cette même jeunesse-là qui est victime de tout ça. Là. Ça, c'est vrai. Voilà. donc, Maintenant, de quand vous partez, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là pour vraiment pour les changer Voilà. C'est-à-dire, on est en train de leur dire vraiment, le monde maintenant, il marche à l'inverse. C'est-à-dire, chacun doit se concentrer sur son avenir. Mhm. Ok, Et je vais revenir à vous. Voilà. Euh, à ah, oui, je vais intervenir à ça. Comme oh. l'avait dit, mhm. c'est de Temuku mhm. pour sensibiliser comment il y a des ONG, des partenaires qui viennent en aide, Kagani, c'est sous mairie. Ils donnent ce qu'ils donne pour sensibiliser et la minorité du bureau, la CL, qui garde, elle travaille en soi-même sans impliquer les jeunes. Sonda, président Abdurrahman, dans ses interventions tout de suite, il parlait des parents, que les parents n'ont pas fait ça. Aussi, quelque part, on pense que c'est aussi l'éducation des parents qui pousse certains à faire euh, ce genre de choses. Par exemple, si c'est toi qui finances la famille, la famille peut te laisser aller faire ce que tu veux. C'est ce que vous avez dit hier dans l'émission des rabbis. Alors vous, en tant que Timidiria, qu'est-ce que vous dites à ces parents-là Ou bien vous les regardez seulement comme ça Bon, les parents, vraiment, ils doivent gérer. Mm -hmm. Ils n'ont qu'à cesser de prendre mhm. ce que leurs enfants amènent à la maison ils n'ont qu'à cesser ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités ok hein? Un père, c'est un père. En quoi faisant Voilà. En quoi faisant En ne plus acceptant ce que leurs enfants leur amènent en échange de cette liberté qu'ils leur donnent pour aller faire. Euh, D'accord. On va, on va écouter euh, Boukari. À ce niveau, je pense que moi, si, mhm. si c'est une fille qui mhm. prend la famille en charge mhm. et on veut amener cette famille à ne plus prendre ce que cette fille-là amène, moi, je pense à ce niveau, la solution, c'est d'autonomiser la famille. Vous un problème pour le résoudre, qu'est-ce qu'on va faire talauci ne ke sa suna amsa abin da take kawa mm. kenan ya ne kamata a yi uwayen nan oh. voilà a musu AGR pour se prendre en charge donc dans ce cas ba su taba bukata abin da za ta kawo parce que il me fond faire hayre mo se il me du hanki voilà kan na musu koi ko parce que c'est la pauvreté okay. si appli la pauvreté ban iya in barki tayi ki dauko wani abu wanda na inda ka samu shi ça c'est vrai amina ni woni dionga matano ihim gite kan nan misoy ne yan wakulu imban Oh, to aya idan woga haka ikin sino. Saboda sanwo dizan kaina mhm. wallahi ban. ta si sensibilisation wala sita to sonda president o ane imingay dan saware de meriye gongay murada ite imkangay do imingay hangay bay mat kan ngay ci kangana murado mo gaso ni mon diyo ga matno ihim gite kangana dai imne ngana ya son ci robo kulgo kay murado feri to ya diyo ga imke mm. ki se gine goya aha aha gine yon goya mm. kan gite sanda kucir mhm. kucir ha kadi mm. okay mi don ngandi tayan o oh, tayan aran bai gudu partner kayanna kamba da aran wana kundara group ma hadin kan matasa wallahi hal san wadi mantuwa mm imantuwa okay halir kwanda ir wana fakara da jina irga koygu hangan gama don di wana rubrik wara hunkuna inganda maino fakare ifo no igine irse irun kuna rubrik wara rubrico l'artiste s'exprime irma hangan nigérien nigérienne mes chers pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Hey. Vous, vous rappelez certainement de Logaizé. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa, présenté par la Miss Rim. Aujourd'hui, nous le recevons sous le deuxième angle pour parler de ses contenus, de sa page, pour faire donc la promotion autour de ses œuvres artistiques. Ladies and gentlemen, vous êtes connectés un peu partout au Niger. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue. Ils sont deux sur cette émission. L'autre va se présenter dans un instant. Eh les gars, eh, je vous souhaite la bienvenue. Comment vous allez bien. Non fais-moi le check, eh, maintenant gote, eh, eh ça va bien. Et toi, Irmandini era, maintenant gote. Nous go manga non gana R. Bon, eh, quoi au café kay eh, Non, <laughs> manga, no manga borno. Parce que borno déjà ngo loge no fa. Oh, ay wo kol borno quoi. Donc collège. Oh. Fitiri ngono fa. Collège fitiri. Collège. Wallahi, ça fait deux collège. Collège wallahi oh, c'est bon. Sketch for man wara sentin da wannan ibarin fa man kersi. to boro da inda club fo nirgo rugujo il faut noter aran club o kara aran gujo bal karban étoile rouge étoile rouge mhm. sanga étoile ciré no oh. to igo hangana arasi donc club oran aran go aran go aran bal kar la kalkane bo la kalkane bani bani bani bani ah, déjà il est abonné sur la page OK donc euh, ko ende te lien egi partager club o groupe la ah. donc kuiza anga mwagte ske donc nin no sintin quoi mhm. ni hinne ni go chechi ko ni go lien e partager ni go no farka bon no go wallahi go fanaga

Nip nip nyip, kanapome, azuzum kana, mai masa, mai sola. Assalamu alaikum. Yey! Mai no ye bo panda. Ah, kiki, aita. Ha, isi salam neo. To, to, to, to. Ubanda banda gufuro. Alwa irkaro. Irla bo nirka. Ceci se fonna kangana ma Côte d'Ivoire bore yo ngwa. Arno kangate. Hmm. ngimuka sokuna yadi no <laughs> nina mate Nipkana Pawe, Azum Zumka, l'Irum Gaïrouri. <laughs> Avec ça que vous avez commencé. Eh. Achora. Egba. Nymphamandes. Matanichina, no, arangote pour avoir la visibilité. Il faut un bon plateforme, faut bon arango. Facebook, no, YouTube, no, Twitter, no, Telegram, Garanda. Il faut que nous connaissions ça. Voilà. facebook bon irgo facebook irgonda facebook irgonda aw ifunene youtube ar gon facebook ar gon youtube o irgonda instagram erm koy dalla dalla erm sintin de page facebook iskoki officiel ifo iskoki officiel haw haw yan danga barkan kuna ga tebon hanu suba an te fulkum danga barkan mu kusube na kankina fatanda maintenant gayen katta arang ga arang sannai tonandi pour commencer nous allons remercier le studio Klangu qui nous a permis aujourd'hui d'être là et s'exprimer devant tout le monde. Mhm. Pour ça, on a dit merci beaucoup vraiment merci, grand merci pour ce qu'il fait pour les justice nigériens. Mhm. Et vraiment, il y a aga bagayen. Si on connaît que de de Et aussi, bo kul kan bai kan gonin gayan a gingirga e irgonde mo senyan kerg barimte de senyan kan hawo me moy no sin kan gite dolir gite de hina me irgun ware mo kul kan bai kan gonni hina kan gingidirse Allah l'instant testé logues et collèges sûr. l'émission tous à la fada la continuité c'est dans un instant et on espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Ces artistes ont besoin d'être soutenus. Soutenons le Niger en accompagnant ces artistes, comédiens. Issa Lawali, Mustafa Yuba, Baby Philippe. C'est les gars, c'est-à-dire les humains qui étaient de l'autre côté, la machine, dont dit prend congé de vous. On se donne rendez-vous. la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Marcel Torquet. Eh, madala rubrique artiste exprimer no ir kwegangan ir ne neo arlita tu sala fada ingno ir gonang ter hun kun sigiro mantkala inda chirozerin wana furtaje irno gonang fakarai neo chirozerin furtaje mo mantikal sandai kay e igonag di matano igite gisande o bonza matano igite kangana bokul masi rozerin masara kirozerin furta ye imine tubari kala ko karante no engay deni abo kul gba ngam te rozerin won furta ye kine woni o abonno irgon ngfa fakare ir simo kala radio azuru radio mono kanga ni studio kalangu irgo goy kamag char kambara radio azuru mo ni studio kala lambo wega chindiya ga de tombin da fa bon 99.1 megahertz irfa darada yunkuna inda bukari abdullahi yanno nga momentikala furtaje kundarana gone wo conseil communal cirogerin amina ide groupement hadin kan matasa irganda alusaini islaman nga momentikala association timidiriya borno furta jaino aka yango na kokari munan mai wana burkintara amma kai gabori da iri fadara alkaso irganda furta jai wana ginfuna kan sigine abdurrahman almu inga mo inda ino ne matkala artiste sprime seno aran koyga hangan kan dondi tono ndaran ɗo irga konda irwana fakara digina président abdourahman oui. c'est son sonda arani gomnato bore isiga sawara aranga isiga arandan saware hmm. Arando na koy do vous avez l'habitude d'approcher les autorités dans ce sens Oui, nous avons qu'est-ce qui s'est passé plusieurs fois. Donc, à chaque fois quand on leur propose des solutions, donc, euh, ils font en sorte de prendre ça en compte, mais ils ne le font pas même les AGR dont mon ami euh, Boukari vient de parler. Donc il y a eu beaucoup de financement sur les activités génératrices des revenus. Donc les gens qui devraient être appuyés par ça, ce ne sont pas été. Et aussi, raison pour laquelle ils ne veulent pas impliquer les jeunes, c'est parce que ils savent que nous, on veut aller dans ce sens-là, c'est-à-dire appuyer les plus vulnérables. Mais maintenant, c'est quoi le problème Les gens qu'on priorise, c'est des gens qui ne sont même pas capables de tenir pendant un mois après une formation de deux mois, on te donne du matériel, on t'accompagne. Donc, euh, peu de temps après, euh, tu vas tout vendre et rentrer dans une autre activité. Comme d'habitude, tu, tu, viens d'une famille aisée, quoi. Tu n'es pas pauvre. Les pauvres, ils sont là et on les oublie à chaque fois. Et on ne nous implique pas parce qu'on sait que nous, à chaque fois, on défend ces gens-là. Vous voyez. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire Vous avez l'habitude de voir les autorités Bon, comme mon collègue, mon ami l'avait dit, on approche mm. les autorités, disons. Mm-hmm. Mais si tu approches les autorités, ils te donnent un rendez-vous, allez-y, revenir, allez jusqu'à même en avoir marre. Oh, yeah, Et des fois, si les autorités, là, il y a une ONG qui vient, mm-hmm. ils appellent le leur. C'est ce qui ranasu. Et eh, Il appelle, appelle, vient, il y a une formation. Mm-hmm. Bas ba formation, wande kamata. farmasiyo ya je wurinsu. Ku timidiriya kuna da partenar ah, da yawa? Kun taba kawo musu wannan zance? Bon, ba mu da partenar gaskiya. Ah, ok, ok, d'accord. On n'a pas de partenaire. Si on a des partenaires, on allait faire mieux. ok mais qu'est ce que vous avez fait bancin in gwamnati bai muku an ba ku foran bon, da sensibilise foran gote on sensibilise des fois bisa wannan ka wanda jeunesse take tanki kana rayuwa ciki wannan abun ba dai ka saya ka di babu baka cewa ya kare gaskiya sai da roƙon Allah sai da roƙon Allah amina har ka yi ne a gode ga sandik koino amma ngai bumbo da iro ma yi ne hangorora kan ne wo wandi yango ne kan yayi gitu ni gidirin ngai kwara ma sai ganna kwa sai bande foyan ko hala ga des ngai wannan dunyuwa aran diyo ga hayo ga hin gaban wallahi twice bai gaskiya mm. ga hin gaban parce que ba bifo wallahi zan kai ni fogon kan akwai arosodo. Wallahi aroso na karbin boda. Ayyaya. bino ikonda boda prison ikonda orso prison wallahi agangiya orso kwara kar an kar akwai ikwara ina ha ifo no dua ani agusono na so kula orso ni di man ko chawdi wallahi man ko chadi Boukari, euh, je suis à vous maintenant. Comment vous voyez la situation de chirurgérine dans les années à venir On peut venir à bout de ça ou bien Bien sûr qu'on peut venir à bout de ça, mais pour cela, il faut l'implication de tout le monde. Et à ce point, les solutions sont à trois niveaux. Mm niveaux? D'abord, le niveau familial. Mhm. Il faut l'implication de la famille, l'éducation à la base. Donc, mhm. il faut que les enfants et les jeunes filles aient une, une éducation de bonne qualité dès la base. Et maintenant, après, c'est à la communauté de prendre les relais de cette éducation. Mhm. À part ça, le troisième niveau, c'est l'autorité. Parce que la famille a fait des sommets, la communauté, maintenant c'est l'État qui est dernier niveau, donc ils doivent s'impliquer. Moi, je pense que si ces trois niveaux s'impliquent, il faut juste l'implication de ces trois partenaires, que sont famille, communauté et autorité. À étroit 3 ils peuvent solutionner ce problème, bien évidemment avec l'implication des jeunes. Voilà, et quand on dit communauté, il y a les jeunes dedans. Alors vous, qu'est-ce que vous êtes en train euh, vraiment euh, de faire Les autorités, il semblerait qu'elles, ne vous écoutent pas, et les parents les parents, moi, je pense que je travaille beaucoup plus avec les parents, surtout dans le cadre des enfants qui sont mineurs on fait des sensibilisations, des visites à domicile, on fait des entretiens avec les parents, dans le cadre de protéger ces enfants-là. Mais pour protéger ces enfants, il faut aussi l'implication de ces parents. Parce que toi, tu ne vis pas avec l'enfant, tu viens de temps temps pour de temps en temps pour faire l'entretien avec l'enfant et ses parents, mais si tu quittes, tu ne sais pas ce qui devient cet enfant. Est-ce qu'il y a un suivi au niveau de la famille Moi, je pense que nous faisons de notre mieux maintenant, c'est à la famille, à la communauté et aux autorités de s'impliquer aussi. Hmm. Abdurrahman, son Harkao Ça peut finir un jour, on peut dire voilà, c'est fini. Oui, on espère. On espère, comme euh, nous revient de le dire, hmm. quand les autorités prennent les décisions et que la communauté s'implique aussi, les différentes euh, associations de société civile, vraiment, on peut venir à bout de cette situation. Nous avons des solutions. On a proposé des solutions, mais jusque-là, ils nous ont pas écoutés. Un moment, moi, je condamne les autorités de ne pas prendre en compte nos réclamations dans les réunions. Ah, vous participez même dans les réunions On, participait dans les réunions. Parce que nous, on s'informe. Les autres, comme association de des fois, ils ne sont même pas informés des réunions qui se passent. Ah la, la, la NDDH, pareil. Hmm. Toutes les autres associations ne s'impliquent pas. Nous, les jeunes, nous, vraiment, on est à l'écoute. On est toujours à côté. Des fois, on peut ne pas te convoquer à une réunion, mhm. mais c'est pour te cacher des choses. En fait, à ce niveau, il faut clarifier une chose. C'est que c'est c'est une question une question de protection des intérêts. Oh. Il y a des partenaires, que ce soit communal ou consort, ils ne peuvent pas impliquer une catégorie de personnes. Pourquoi Parce que ces personnes-là sont des personnes incontournables. Mm. Dès que tu les impliques dans une chose, c'est que sûr, ils vont te suivre pas à pas. Donc, il me faut quoi Chercher des gens que je pourrais manipuler. En fait, c'est ça oh, le problème. C'est ça le problème yadino irgazade zade dir koiba nyaka fosino irga dir voilà on va écouter Big Abdel avec euh, l'espoir euh, musique espoir inchallah ça va passer ici aussi un beau jour on va dire voilà euh, la situation de la jeunesse à Tiro alhamdulillah mashallah yeah, decoy boy. Yako pussy no, it is a decoy boy. Mashallah, it is a decoy boy. Yako pussy, it is a decoy boy. Mashallah. Sarina dunia, kumi da lokaci, tazamo talaka, you want on the azaki. babu mamaci Allah ya bani ni tun da bai da bambanci wannan musan da shi musani ya ga aiki mu mai da hankali mu dan komai da zuciya guda mu tanadi musa hankuri wata rana sai ko labari mu tawakkali ga Allah ubangiji inda rai da lafiya nous sommes toujours à Kirozerine. On est en train de parler de la situation des jeunes, surtout les jeunes filles, les plus jeunes d'ailleurs, qui aujourd'hui sont dans une situation que certains jeunes ont qualifié de critique ici. On est là, c'est pour trouver des solutions, pour voir comment faire pour venir vraiment pour qu'on dise un bonjour, jour, Alhamdulillah, Kirozerine Boraizada, Talifo Kultiga. Dans la FADA, nous sommes aujourd'hui avec euh, Abdourahman Abdurrahman Almou, président du conseil communal de Kirozerine. Nous sommes également avec Bukari euh, Boukari Abdoulaye, lui aussi, les est membre euh, de ce conseil, un jeune très dynamique d'ailleurs. Boreno Kengon ko Kulti, et eh, Amine Rumbogo Fadara, Amine Demo Asikala Groupement, Hadin matasa Demo aluseni islam sasan mi diri angay mo munande mai wana burkin tarasi dai ni gona tangam yadin mono mi sakara idi boraygo harno kan asi kan gumo to halir ko bandirun kun fakara irgu fakara de tour fo jina halir to jokoga o olivier noya irman taga jina president aujourd'hui On ne le souhaite pas. Si la situation-là ne s'améliore pas, que va devenir notre chère commune de Kirozerine Il faut de nos Kirozerine qui a ah, Si on échoue, je ne sais même pas quel est le terme. Et voilà, on a l'espoir, nous, vraiment, de changer les choses. Mhm. Vraiment, on a l'espoir. On ne souhaite même pas que la situation, qu'on perde le contrôle. Vraiment, nous, on souhaite parce qu'on a des solutions. C'est quoi notre atout c'est-à-dire, nous, on connaît la jeunesse. C'est nos frères, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs. Mm-hmm. Donc, on connaît même leurs points faibles. Donc, si temps nous implique vraiment dans les prises de décision, on va faire de tout notre possible pour empêcher même la rentrée de ces drogues-là. Tu sais, comme je t'ai Oui, nous, on peut stopper ça. Oui, moi, je, te ah, l'ai dit. on ne peut pas mesurer la détermination des eh, hommes, tu sais, face à... Eh, qui dit que ça que dini simil kalir si culture bongairano tu vois comme ils vont nous sommes gens là ils disent voilà c'est là ils connaissent rien c'est les enfants d'avant-hier voilà c'est ça imsalirfa angoma président imsaliri voilà imsaliri ah oui tu me diras allô seni si la situation-là ne s'arrange pas, qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'immigré Vous vous dites beaucoup pour la dignité humaine, pour vraiment pour l'intégrité et tout ça là. Et voilà, il y a des jeunes filles qui sont dans des situations ça va pas aller. jolies. Inch'Allah, ça va aller. On va essayer de voir les autorités. Ok. Ça veut dire qu'il y a un de découragé. nous espérons. Avec on pas il n'y a pas une chose euh, qui n'a pas de solution ou qui ne doit pas avoir une solution. Mhm. Inch'Allah, nous espérons avoir des solutions pour ça. Pour que ça ne dégénère pas. To d'accord. Amina, oui. amina ni kel furta yi wandi yai. Sama ni kel aino bo ba ni shara ni kel aino. Walma ti anno. Ya dinno. To hun kuna matano da har kawo mante ni diyan ga matano kirozerin wandi yai sanno gi himanda ya dinga. Ya dinno. Matano no wandi ga har kawo ci ada. Ai ai diyan ga uko de mutaligai dai. Uko mutaligai. <laughs> <laughs> wallahi ya dindo da gine oh to comment toi tu vas euh, Chiro dans 5 ans ne girgu matron dioga oh, Chiro mon magi mada to wallahi Chiro akwai dai akwai da gina akwai da gina to irko hanse irko ah. mu tayi hanu bukari comment toi tu vois l'avenir de Chiro dans 5 ans tout près là dans 5 ans dire ne no aloma dans 5 ans, l'avenir de Tiro, c'est que moi, je suis sûr que Tiro aura un avenir radié parce que nous sommes des jeunes, nous sommes engagés, même si les autorités ne nous impliquent pas, on va chercher des partenaires pour continuer à sensibiliser, former et réinsérer ces jeunes pour qu'on puisse finir avec ces problèmes et l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Hmm. Je vous garantis que d'ici 5 ans, ce problème sera éradiqué à Tiro que ce soit avec l'autorité ou sans l'autorité, on va s'organiser en structure, chercher des partenaires qui vont nous appuyer pour éradiquer ce problème. Parce que si ce problème persiste, ça concerne seulement pas ces gens-là. Ça nous concerne tous. On aura des enfants et nos enfants seront impliqués dans cette. Donc, c'est un problème qui va nous rattraper d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, il nous faut tout pour arrêter ce problème. parce que si on ne l'arrête pas, on va vivre les conséquences de ces problèmes olivier ni olivier ay olivier so ni ni maintenant la chronique d'olivier irma angani c'est olivier bonsoir Thiro bonsoir amis auditeurs et auditrices bonsoir euh, une fois encore à nos amis de la FADA. J'espère que vous allez bien. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de la révélation digitale. Et c'est Thiro qui a eu la chance d'accueillir cette chronique. À l'ère du digital, le nombre de likes, de commentaires et surtout de partages sont à la base de nombreuses révélations. Des révélations qui ne sont pas souvent positives. Sur les réseaux sociaux, l'information positive fait, l'information positive qui fait le buzz est simplement une surprise. Eh bien, revenons aux révélations. Combien de types de révélations peut-on distinguer? D'abord, sur le plan personnel, des informations positives ou négatives d'une personne peuvent être révélées du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Ceci est fréquemment du buzz ou du bad buzz. En cas de good buzz, la personne concernée peut attirer la personne concernée la personne concernée peut attirer la sympathie des internautes et être couvert de cadeaux par exemple. On se souviendra de la déclaration amoureuse de l'influenceur Aladdin Maiga en 2020. Mais en cas de bad boy, ça peut même amener au suicide, tellement les internautes n'hésitent pas à lyncher ceux et celles qui se retrouvent à nu sur les réseaux sociaux. Sur le plan de la carrière, par exemple, à travers une vidéo insolite, plusieurs personnes ont vu leur carrière de musicien ou de comédien se décoller au Niger. Le buzz de A ah, de Robaroba d'Agadez a été un décollage de carrière pour le jeune homme et son entourage. Fin 2020, il était à Niamey pour un spectacle sur invitation de la styliste Lane. Sur le plan infrastructure, c'est la révélation du dinosaure de Yantala qui a surpris plus d'un. Depuis que les internautes ont publié des images du fameux dinosaure du rond-point Yantala de Niamey, les critiques négatives ont suivi la révélation du monument géant. Eh bien, malheureusement pour le monument, cette révélation a été un bad buzz, ce qui a mené à sa destruction en début 2021. Et sur le plan comportemental, les réseaux sociaux peuvent révéler les qualités ou défauts d'un internaute. Mais la plupart des cas, c'est les personnalités publiques qui utilisent cette révélation pour bien évidemment séduire leur population qui n'est rien d'autre que leur électorat. Et c'est exactement ce que nous subissons avec l'actuel président de la République, Mohamed Bazoum. Des vidéos de Baba Bazoum en train de prendre un train en Belgique nous révèlent le côté simple de notre père de la nation. Eh bien, les exemples, on peut en citer des tonnes. Mais bon, c'est une chronique de deux minutes. Et on s'arrête ici pour ce soir. À la semaine prochaine, dans une autre localité pour une nouvelle chronique. Merci Thiro, merci à vous, chers amis auditeurs et auditrices. Merci à Ahmed pour tes bons plats. Grave fait Ahmed. <laughs> merci beaucoup à vous pour l'écoute. Père lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Au bout de même Bye bye. Euh, voilà, euh, Olivier, Irgin qui est qui

Comment magana da muke da komin in Musa Nufe mal de partage un secret avec d'autres qui ne sont pas les nôtres. Wayo. vi le cas dont tu revis aujourd'hui na jeunesse inta. Gaskiya fata da nake kiro ku ji wannan abun da muka yi magana da yau ya kare babu shi sai samun durne mu in masu he. Madalla arama arusai ni sai anin wanga gare ragati hino diriye ka koyi ne irin ka ga sanin sanni fo bon kan gingai kwara ma ka tarai man sanoi ne duma zama ana dorno bor min gundo te yawyanse yadin mono gundino kan te yawyanse zama studio kalangu sigira mantikala a radio woita cicin di iddu bono igi hangan niger talato medamera irgaran fondo goy aran kan surunda kokarda gakagu tu irwan cengose yadin mono irhan kai non kulkarango nemeno irum kuna kirozerin faji kara nemeno irne kerse bayi bayi kalde han fonoya ino irga koygu no dini ganda fora gega fa bakare fo ɗum te sigiri fo ɗum bon irgana fonno goyru ko karo kalde han fonoya babay